Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée, Tous à la FADA, qui pimente vos week-ends sur les 50 des radios partenaires du studio Kalangu. Nous sommes à Agadez, à la radio Sahara, 97 MHz au micro. Je suis Abib Garba. La technique est assurée par Abdelkader Tiambiano. La ville d'Agadez, jadis connue pour. Euh, la tranquillité, le respect des mers, la paix, la joie et surtout le chaud. Mais aujourd'hui, force est de constater que la ville est confrontée à la délinquance juvénile, dépravation des mers. Tout ce qu'on connaissait auparavant est devenu euh, vraiment autre chose. Irsi matkain qui sont damo furta gei is futara kara ikan hunkuna ifo no kan woy dini de matano igite gabonza comment lutter contre la dépravation des mers à Agadeza wene yo bono ergi sala zam har no kan aga bagumo agades kwarara asibo kulse tugurera hun kuna dine borse agades bora gbai kan taba hanyan kwaya hanyan fitina yanje charwiyan amma baga yi september hando za waran kinni za yan in charwi kan ra bor hin ko janga ya lo mare har kan te kan na in ba kwara nongbo badabu wano han bin nan kan furtiye ko ga makani bar dare sorangai yan kul ini dabu alwati waidira mero non sanka samu gane kan ngani dabu waidin bandamo nongu go agadez ra hun kuna kasi gine gidan wanka ba no bo tamparano no dini zam is futai ingay no go no dini hade kan kande lahanin de sandai bobo wana bafuna afondara yadin mono wo boraize mo kuna nan kan borgan kul di wo i go fondai bon boryanne kan hariyanno kanga isbay ingay wana namera zama isfutara ingino egite demo igba kan way boray zega zama saruso kanga goyda misway dini an fama diante studio kalangu se haranjiro wora nanka ne kan din la sabote 23 ka de viol ont été arrestés sur des mineurs entre janvier et mars 2023 jeunes de la fada irgoneo agadez inda fakare avec eux nous allons savoir comment ça se passe la dépravation de mers agadez quelles sont les conséquences d'imandouga de qui doit s'impliquer comment se fait l'implication eh, des jeunes avec qui nous sommes dans la fada tout ça la fada c'est 35 minutes chronique rubrique partage d'expérience musique et voilà monsieur le président eh, bonjour. vous allez vous présenter à nos auditeurs Bonjour monsieur, je m'appelle Ibrahim Idrissa, je suis le président du conseil régional de la jeunesse d'Agadez. Ibrahim, aujourd'hui nous allons voir vraiment comment euh, se manifeste la dépravation des mers qu'est-ce que vous êtes en train de faire et quels sont vos projets si ça fait partie vraiment des défis que vous comptez relever pendant le mandat. Chef, bonjour. Bonjour. Euh, moi, je suis Imadana Abdo Haruna. Mhm. Je suis le président de la Jeune Chambre internationale à Iragades, qui est une structure des jeunes âgés de 18 ans à 40 ans. Ok.

de la jeunesse d'Agadez. Ngi mo Agadez ko mino ngi mo gago da ngino wana jin funa wani yarima rahmatullahi no. mi Kyomiano din solir furbatora. Oh, chef, je suis à vous. Aujourd'hui, il n'est pas un secret pour personne vraiment, on constate la dépravation des mers ici à Gadez. Je disais tout à l'heure, est-ce que cela fait partie des défis que vous comptez relever euh, dans votre mandat Bien sûr. Et ça fait partie clairement dans les objectifs que nous voulons atteindre. Ici, la part des structures des jeunes que nous représentons, c'est vraiment de continuer à alerter sur le phénomène et sur sa dangerosité. Nous le faisons chaque jour. À tout moment où nous avons une opportunité, on dénonce on dit euh, ce qui se passe et on essaie aussi de faire des propositions concrètes à qui donc veut l'entendre et à qui peut apporter sa pierre. Et là, je pense que on a un peu rappelé encore quels sont les types de dépravations de mers mhm. que nous constatons les plus fréquents à Agadez. La première des choses, c'est la consommation et le trafic illicite des drogues. Malheureusement, dans la ville d'Agadez, on a beaucoup de drogues que les gens ne connaissaient pas. On parle même de l'amphétamine la plus grande drogue, la plus dangereuse de tous les temps. Nous avons de la cocaïne, on a des pinches, on a des tramadol, on a tout ce qu'on voyait à un moment, on ne voyait qu'à la télé, on entend seulement, mais aujourd'hui, ce sont des drogues qu'on retrouve à Agadez et qui transitent pour aller vers l'Europe. Et nous avons constaté qu'en réalité, la drogue qui transite dépasse la capacité de nous jeunes. Elle dépasse la capacité de nos FDS. Et on a dit ce qu'il faut faire. Il faut chercher la collaboration de toute la population dans ces combats. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait euh, intervenir toutes les forces vives, les leaders communautaires, les leaders religieux, les autorités, les jeunes, les femmes, tous ceux qui interviennent. Chacun peut apporter dans le renseignement, chacun peut apporter dans la sensibilisation et dans la prise en charge des questions depuis les familles. Et donc, on a pointé du doigt la responsabilité des autorités dans le traitement des dossiers. On va, on va revenir euh, justement sur la responsabilité des autorités. Euh, monsieur le Président JCI, dites-nous, euh, vous aussi, comment, en tant que jeune, vous comptez apporter des solutions pour vraiment lutter contre la dépravation des mers. Donc, euh, je ne veux pas revenir sur les propos que le président avait avancé déjà. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois quand on parle de produits stupéfiants là, les gens y oublient de l'alcool quoi. C'est parce que là-bas, ce sont des intellectuels seulement qui voient ça. C'est pour cela, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit c'est drogue et autre quoi. Sans pour autant toucher sur l'alcool. L'alcool aussi. Euh, l'alcool aussi, elle a des grands impacts sur la vie des gens. Vous connaissez des cas à Agadez, région d'Agadez, quand vous êtes aussi régional CNJ Parce que quand vous voyez maintenant ici, à part ça là, vous allez trouver des jeunes qui sont des intellectuels et ils pensent que le fait de prendre l'alcool là, c'est veut dire que la personne il est civilisée. Mais sans pour autant se rendre en compte qu'encore ça a un impact sur leur santé, ça a un impact sur la foi. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des problèmes, on dit voilà, c'est des gens qui sont de l'autre côté là, mais des gens intellectuels et aussi, ils prennent des produits stupéfiants aussi. Voilà, maintenant, je vais un peu m'avancer. Nous, à la Jeune Chambre internationale, nous avons une mission qui est là. C'est quoi notre mission C'est d'offrir des opportunités aux jeunes, à leur donner la capacité de devenir des jeunes leaders entrepreneurs. Donc voilà, on encourage toujours les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. On encourage toujours les jeunes à être indépendants faut pas attendre toujours à ce que quelqu'un vienne vous faire quelque chose. Il faut apprendre à être son patron le soi-même, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui est plus bonne que d'être son propre patron tangara wo model no aran gice bora se kan si goro kam koli an te kulu du murad kara furo en sambaram kandai kampana ido kampano boram famad matinin te gin kampano goran denda ifo difo no ngate kan nan to ngono gora bora bora gastier chiga ga entreprendre ng ami de la fada avant de poursuivre notre émission on va écouter la rubrique rose proposée par les filles du studio Kalangu et après on se retrouve tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. amis jeunes, amis de la Fada, très ravi de vous retrouver sur cet espace rose du studio Kalangu. Comme promis, voyons ensemble certaines plantes et herbes qui feront du bien à notre peau une fois incorporées dans notre bain vapeur ou surati comme on l'appelle chez nous. En effet, quelques exemples de problèmes dont vous pourriez vous débarrasser avec certaines plantes. L'eucalyptus. Oui, l'eucalyptus libère les muqueuses. La plante qui vous permet de lutter contre un rhume persistant ou quinte de toux est l'eucalyptus. En ajoutant cette plante à votre bain vapeur et ensuite la respirant profondément, les muqueuses attachées des fosses nasales et des pharynx se libèrent rapidement. De plus, L'eucalyptus a une fonction adoucissante en cas de maux de gorge. La plante contient un dixième d'huile essentielle, ce qui aide à lutter contre les bactéries et infections. Aussi, les virus et moisissures ne résistent pas à l'eucalyptus. Le romarin, qu'on trouve heureusement maintenant sur les marchés, frais ou séchés. Dans le romarin se trouvent de nombreux vitamines et minéraux. Le romarin contient des huiles essentielles qui sont saines pour le corps humain un bain vapeur enrichi en quelques branches de romarin est très bon pour la peau. De plus, des recherches scientifiques ont démontré que le romarin aide à lutter contre le cancer de la peau, parce que c'est une plante aux caractéristiques antioxydantes très fortes. Le romarin est également un tueur de bactéries dans le sang. Aussi, il aide à diminuer les courbatures et les douleurs rhumatiques. La menthe oui, la menthe fraîche chasse le mal de tête et la nausée. Elle est déjà active lorsque vous frottez quelques feuilles sur votre nez et votre front. Bien sûr, le bain vapeur vous fait encore plus de bien. Bon à savoir, spécialement pour les femmes enceintes, l'odeur chasse la nausée immédiatement. La menthe est aussi un excellent remède contre les démangeaisons et irritations. L'odeur connue que disperse la menthe a une fonction antibactérienne la fleur d'oranger et les cicatrices. La fleur d'oranger fonctionne comme un calmant pour le corps et l'esprit. Elle est recommandée pour ceux qui sont en situation de stress ou de tension. En faisant face à de sévères insomnies, la fleur d'oranger ralentit les pulsations cardiaques qui se calment rapidement. Ensuite, elle prévient la sécheresse et la sensibilité de la peau. Sachez qu'une huile à base de fleur d'oranger prévient également la formation de tissus cicatricielle. Voilà, c'est tout pour les herbes à incorporer dans notre bain vapeur. On se dit à la semaine prochaine sur une autre rubrique rose pour d'autres bons plans, beauté, mode, santé et bien-être et cuisine. Au revoir et bon début de semaine à tous. Je me suis trop donné spectacle et la des claques. Je jette un coup d'œil en arrière histoire de garder les pieds sur terre. Jamais oublier qui l'on est. Je t'avoue que toi tu m'as fait douter. Manipuler toutes ces années, j'ai oublié mon identité. Je voulais juste être la tienne, toucher le ciel, toucher le ciel, mais tu m'as brûlé les ailes. Je voulais juste être la tienne, moi, toucher le ciel, toucher le ciel, mais tu m'as brûlé les ailes. Oh, folle, ma colonne. dit le silence vaut de l'or confier m'a causé du tort Je donne de l'amour tant que j'en ai encore Ma vie, ma foi sont en désaccord Pardonne si je prends mes quand je suis à court de mots quand je suis à fleur de peau. Trop de rancœur qui laisse un goût amer. Eh oui, merci beaucoup, Ami Jeanne. Merci, auditeurs, auditrices. Merci également à Les Roses du studio Kalangu. J'espère que vous avez beaucoup aimé, amis auditeurs de la FADA. et Irukondre Fakara de Guina. Monsieur le SG, SG, sans emploi qu'est-ce que vous êtes en train de faire vraiment concrètement pour lutter contre la délinquance la dépravation des mers dans la région d'Agadez parce que vous êtes régional Merci. Par rapport à la dépravation des mers dans la région d'Agadez, nous, au niveau de notre association, nous faisons des sensibilisations. Comme je l'ai toujours dit, Agadez a connu cette dépravation depuis les années 2015. Donc c'est une échelle, année par année, année par année, et ça a grandi jusqu'à 2023, euh, où bon nombre de jeunes sont en train de prendre ces stupéfiants. Euh, Donc c'est le résultat, au fait. Je l'ai dit, il y a un réseau. Les réseaux comprennent depuis l'acheminement de ces produits-là jusqu'à la ville d'Agadez. Ils comprennent les femmes ou les personnes qui viennent prendre des maisons dans différents quartiers pour s'installer. Les dealers, on les appelle. Il y a aussi des jeunes qui sont uniquement là pour amener les produits, c'est-à-dire pour satisfaire les clients. Donc, ce que nous nous souhaitons par rapport à ça, qu'il y ait une complicité entre les autorités, les chefs traditionnels, la population, surtout même la population, s'il y a ces genre de cas qu'ils dénoncent aux autorités pour que les autorités puissent prendre ça en main. Donc nous, ce que nous faisons, c'est la sensibilisation. Mais je l'ai dit toujours que la sensibilisation, on n'arrive pas jusqu'à présent à atteindre l'objectif. Parce que mhm. ça ne fait qu'agrandir. Voilà. Maintenant, à part la consommation de stupéfiants, il y a quel autre comportement aussi auquel ça donne la jeunesse d'Agadez Bon, à part la consommation de stupéfiants, il y a ce qu'on avait un peu soulevé, c'est les filles. Les filles sont exposées. Ils prennent ces produits et ils se vendent en elles-mêmes, donc en faisant de la prostitution, en faisant euh, le vol, en impactant aussi euh, leur santé, parce que ça joue au niveau de la santé. Si la fille ou les personnes qui prennent ce genre de stupéfiants, s'ils n'arrivent pas à les prendre à temps, donc euh, ils changent automatiquement de comportement. merci beaucoup sj kaniga sonda kande vous, en tant que conseil communal des jeunes d'Agadez, en tant que jeune femme, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour récupérer eh, nos sœurs qui sont tombées eh, vraiment dans la délinquance Merci. Mhm. Donc moi, vraiment, j'ai entendu beaucoup de cas évoquer la consommation des produits stupéfiants. Mhm. Il y a la prostitution, mais sans oublier les viols. Il y a beaucoup de viols qui se font à Agadez, mais qui ne sont pas dénoncés. Parce que ici chez nous, les gens ont peur des dénonciations. Les viols se font en famille. Il y a des petites filles qui sont victimes de viols. En famille En famille, si on dit en famille, c'est soit l'oncle, soit le frère, soit. Voilà. C'est en famille que vraiment ce viol se font. Et puis, les parents ne peuvent pas dénoncer parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de la famille, donc ça doit rester en famille. Et l'avenir de ces jeunes filles-là sont gâtés. Dès là, la jeune fille est bouleversée, donc elle va se donner vraiment à faire du n'importe quoi, à se prostituer, à prendre les produits stupéfiants, à être vraiment à la merci de la rue, comme je l'ai dit. Il y a un cas qui est là ici à Gadez des jeunes filles, je vais dire que Girmankai. Voilà. Hein. Voilà, Bombéré. <coughs> Mm. Ici, les jeunes filles d'Agadez, ils ont vraiment ce problème de... Ils ne peuvent pas s'élever, chercher des activités génératrices de revenus pour vraiment se couvrir quoi. Voilà, autonome quoi. Voilà, hmm. qu'ils soient indépendants comme tu l'as dit. Ils attendent toujours l'argent facile. Il y a ce genre de regard aussi qui tue notre société. Mhm. Les jeunes filles d'Agadez, ils pensent que vraiment eux, ils sont plus à la hauteur de venir faire de petites ventes comme ça. Eux, ils pensent que vraiment, ils n'ont qu'à aller se donner à la prostitution pour vraiment avoir des millions achetés de voitures, de bazins, tout ça là. Mhm. Donc voilà, vraiment ça aussi. Maintenant, en tant que conseil communal, est-ce que vous avez euh, écrit dans votre cahier des charges que mhm. voilà, avant la fin de votre mandat, euh, vous allez essayer de récupérer tel nombre de filles, tel nombre de filles. Effectivement. Le travail même qui a été fait, je peux dire que c'est un travail vraiment remarquable du Conseil communal de la jeunesse qui n'a jamais été fait. Parce que de là même, on a passé quartier par quartier pour vraiment que le jeune savent vraiment l'existence du conseil communal même en tant qu'état. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de la commune d'Agadez qui ne savent même pas qu'il y a l'existence même du conseil communal. quel est le rôle du conseil communal, quelle est sa mission, quelle est sa vision par rapport à la jeunesse d'Agadez. Donc vraiment, on a passé des quartiers en quartier, des portes à portes pour vraiment expliquer aux jeunes le rôle du conseil communal. Vous avez évoqué les cas de la dépravation. Voilà, qu'ils savent vraiment aujourd'hui s'il y a un problème, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir dedans, qu'ils savent que vraiment il y a des leaders qui sont en devant, qu'ils peuvent vraiment s'approcher pour vraiment ensemble savoir comment vraiment résoudre ces genres de problèmes. Il y a des formations qui se font, il y a des sensibilisations aussi pour vraiment accompagner ces jeunes-là à vraiment les aider pour pouvoir vraiment être indépendant de leur vie. Dans leur vie. D'accord. Merci eh, Ramatoulaye. Amis jeunes de la FADA, on va écouter une musique que vous allez nous proposer. Les jeunes d'Agadez avec qui nous sommes installés à la radio Sahara vont nous proposer une musique eh, et après on se retrouve. Il faut mettre Tandé. Tandé, voilà. Amis jeunes de la FADA, on écoute Tandé proposé par les jeunes d'Agadez. C'est Ramatoulaye qui a proposé Tandé. ही ही ही। J'espère que vous avez beaucoup aimé les tendés proposés par Légende d'Agadez. On revient à la FADA. Monsieur le Président, euh, vous venez de dire qu'avec des partenaires, vous avez y pendant des ans pour euh, lutter contre euh, la dépravation des menses. Est-ce que ça a donné des résultats Après les deux ans, vous avez remarqué quoi comme résultat On a remarqué l'engagement des populations. juste après, je crois qu'il y a un résultat au niveau de la police nationale Juste après, on a mis la main sur un réseau de trafic, donc qui a été possible grâce à un renseignement que les gens ont donné par rapport à ce que nous avons dit, il faut dénoncer. Donc on a mis la main sur un grand réseau au niveau d'un quartier. Bon, je maintiens de dire le quartier de toutes les façons. Ce que j'ai dit, euh, on peut le vérifier au niveau de la police nationale. Donc euh, je me suis applaisanti sur ça, mais il n'y a pas que la consommation de drogue en réalité. On a parlé du vol, mhm. euh, parce que ça inquiète beaucoup les populations de la commune urbaine d'Agadez. Les petits vols qu'on fait dans les maisons, on vole des bouteilles de gaz, des téléphones, et on part en les à vil prix. Donc ça, euh, c'est des jeunes qui le font. Parce que donc ces jeunes-là sont quelque part désœuvrés, n'ont rien à faire, et ils se mettent à le faire. Il y a aussi des, crimes parce qu'on a des bagarres qui s'éclatent. Euh, donc avec parce que c'est des jeunes qui détiennent des armes blanches, des couteaux et dès que vous essayez de vous défendre comme ils sont dans un état d'ivresse, euh, ils peuvent utiliser. Donc ces jeunes-là malheureusement dès qu'on les prenne, il y a les parents qui viennent pour supplier à ce qu'on les relâche et ils partent en prison, ils reviennent et ils constituent un danger dans la population. Et c'est ces jeunes-là aujourd'hui que nous cherchons à occuper. La solution la plus facile, aujourd'hui, ceux-là sont dans un domaine où il faut un grand travail. Il faut en fait la contribution de tous pour pouvoir les gérer. Mais ce que nous, nous pouvons faire dans l'immédiat tout de suite, c'est d'attirer l'attention de ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là. Et nous le faisons chaque jour. On fait des formations, on fait des sensibilisations, on fait des débats, on fait des interventions au niveau des médias, sur les réseaux sociaux. Et là, je, crois que c'est, il faut s'allier déjà le travail abattu par cette jeunesse qui est toujours au pied d'œuvre en train de, sensibiliser. Euh, souvent avec des petits moyens, des maigres moyens, mais que nous sommes en train de faire des grands travaux. Aujourd'hui, si c'était une ONG, ou bien quelque chose, on allait quantifier ces interventions à coût des millions. Mais la jeunesse, en train de faire à zéro franc. Et c'est un travail que nous voulons vraiment que les autorités encouragent beaucoup, mhm. parce que ça a un impact euh, positif. Et ça fait que non seulement on dénonce, mais aussi tous ceux qui participent à ces combats, on sait qu'au moins ils ne sont pas dedans et il cherche vraiment à conscientiser la, grande masse. Mais là où on, est un peu limité, c'est vraiment les zones reculées au village, mhm. vraiment dans les zones où même l'Internet cause problème. Là-bas, cette fois-ci, ce que nous voulons faire, c'est de mettre en contribution les différentes représentations du Conseil pour qu'ils relayent des, des informations, qu'ils participent aussi à mhm. intensifier ces interventions. Parce que les chefs-lieux des communes, des régions, quand même, ça va un peu mais la grande masse qui se trouve au village ne connaît pas. Euh, c'est pourquoi quand on part, par exemple, il y a certaines questions qui, n'attirent même pas l'attention des gens, qui pensent qu'au village, vraiment, tout ça là, il y a ceux qui pensent que ce n'est rien du tout, alors que c'est un grand danger. Aujourd'hui, déjà par rapport à la question qui a été posée, quel est le résultat Le résultat aujourd'hui, qui est mm. tous les jeunes, mm-hmm. euh, non, au-delà même des jeunes, toute la population est inanime que nous sommes face à un danger. Et déjà une prise de conscience. Et c'est pourquoi j'ai dit au village, dans des zones réquilées, cette prise de conscience n'est pas encore arrivée. Voilà, euh, Monsieur le Président, gardez le micro. Euh, ce que j'aimerais savoir maintenant, comment vous voyez l'avenir de cette jeunesse si rien n'est fait Si rien n'est fait, c'est le chaos. Et ça risque euh, d'entraver, ça risque de contaminer toute la population. Voilà. Euh, est-ce que vous, vous pouvez venir au bout de la situation avec euh, tout ce que vous avez cité comme action que vous comptez faire dans les deux ans à venir en tant que... Bien sûr. La seule chose que nous voulons, c'est l'accompagnement de nos autorités, comme ils le font. Qu'est-ce que vous attendez d'eux On attend vraiment qu'ils participent d'abord pleinement, eux aussi, dans nos séances que nous faisons de venir activement, parce que l'une des choses, c'est de mettre des ressources sur la table, mais aussi de venir en présentiel pour qu'on puisse faire ce travail ensemble. Quand nous avons des débats, quand nous avons des sensibilisations, qu'on puisse voir nos autorités, nos leaders communautaires, nos leaders religieux s'engager avec nous sur le terrain pour que vraiment on puisse donner une bonne image, qu'on puisse voir en réalité c'est toute la communauté qui s'élève dans ça. Et maintenant, il faut aussi inviter des partenaires techniques, partenaires financiers pour prendre à bras le corps ces sujets et je pense qu'on peut y arriver. Merci, Président. Président JCI, euh, euh, je vais vous poser la même question. Vous pouvez venir au bout de cette situation de dépravation des mœurs dans la ville d'Agadez ou bien c'est comme disait quelqu'un, c'est Allah Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on peut y remédier. En quoi faisant Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a trop d'arrestations, il y a trop de condamnations, mais ça ne vaut pas l'affaire, quoi, parce que ça ne résout pas le problème, quoi. Ça continue toujours. La fois dernière, j'ai à échanger avec euh, le monsieur des régisseurs des prison civil ici à Gades, quoi. J'ai dit, il y a des bandits qui sont ici fermés aux prisons. Il y a des gens qui sont dans le domaine des trafics et autres, quoi, qui sont là formés. Mais en réalité, qu'est-ce que vous les apprenez ici, en prison, quoi Il m'a dit rien. J'ai dit c'est bien normal que dès qu'ils finissent leur séjour en prison, là, ils vont retourner et puis ils vont encore recommettre les mêmes actes qui. Cela veut dire, je lui ai fait des propositions. J'ai dit, ces gens-là qui sont là, d'autres, ils font ça malgré eux parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Nous sommes tous des jeunes nous voulons de l'argent. D'autres, ils ne savent pas comment faire pour avoir de l'argent. Ils sont obligés d'aller prendre des armes, attaquer ceci, faire cela. Mais si aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt, là, il y a des activités ou bien des actions que ces gens-là apprennent avant de finir leur séjour, quoi, ça va beaucoup les aider. Il m'avait fait comprendre que lui, c'est parce que ici, il n'y a pas de partenaire qui peut toutefois appuyer ces gens-là ou bien donner quelque chose aux formateurs pour qu'ils puissent venir former ces gens-là. J'ai dit, ici à Gadez, alhamdoulilah, on a de bonnes volontés. Il suffit seulement d'écrire une petite note et puis dire voilà, on a besoin de tels formateurs qui peuvent venir, fils et Billy juste donner une heure pour former ces gens qui sont là. Ça peut se faire. Mais ici, à chaque fois, il faut condamner la personne, juste, il finit ses séjours-là, on le libère, et encore, qu'est-ce qu'il va faire quoi Il n'a rien à faire. quoi. la prison n'est plus corrective quoi. Si on prend l'exemple des pays développés quoi, il y a des gens qui sont rentrés en prison, ils ne savent rien faire, mais à la sortie, ils sont devenus des grands hommes quoi, parce qu'ils ont appris beaucoup de, métiers. Mais ici, ce n'est pas le cas. il faut les former, il faut les outiller quoi, pour qu'ils puissent être utiles pour la société. Merci beaucoup. Euh, lui, il nous explique vraiment l'essentiel n'est pas d'arrêter, n'est pas de condamner. L'essentiel aussi, c'est d'amener la personne à apprendre quelque chose étant derrière les barreaux. Euh, voilà. Euh, monsieur le secrétaire général de l'association des sans-emploi d'Agadez, dites-nous, à votre avis, est-ce que la situation elle peut s'améliorer et dans combien de temps si oui Par rapport à l'amélioration de cette situation, on ne peut pas donner un délai pour dire que dans un an ou deux ans, euh, ça va exactement euh, s'améliorer. Mais euh, l'effort de tous, si tout le monde s'implique, nous pensons que ça va se changer. L'implication de tous, ça veut dire quoi Il faut donner la responsabilité à chacun, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau de la justice aussi, mhm. que ce soit au niveau de la population. Il faut que tout le monde s'implique. Quand tout le monde s'implique, avec la sensibilisation, quand tout le monde s'implique, au niveau des renseignements, quand tout le monde est concerné, c'est que le problème là, et ce n'est pas le problème de, celui qui prend la drogue ou celui qui est concerné. Il faut que nous, les jeunes, nous savons que même si on ne prend pas de la drogue, même si on n'a pas un ami ou un proche qui prend de la drogue, on sait qu'on doit nécessairement contribuer pour que ces problèmes de dépravation soit résolu dans un délai bref. Merci beaucoup, Ami jeunes de la FADA. Avant de clôturer notre émission, on va appeler Seino 50% pour sa chronique et on se dit au revoir de façon euh, définitive. Ami jeunes de la FADA, bonsoir. Ce dimanche, nous poursuivons notre chronique sur la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, nous avions parlé de l'historique de la Cannes. Aujourd'hui, nous parlerons des rôles socio-culturels de la Cannes. Eh bien, la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, n'est pas simplement qu'un tournoi de football, mais un événement qui transcende les terrains de jeu pour influencer divers aspects de la société africaine. Sur le plan culturel, elle devient une vitrine de la richesse culturelle du continent. Les supporters expriment leur identité nationale à travers des rituels, des chants, des danses propres à leur pays, créant ainsi une mosaïque culturelle dynamique pendant le tournoi. Sur le plan social, la Cannes sert de catalyseur pour renforcer les liens communautaires et intergénérationnels les familles et les amis se réunissent pour regarder les matchs, créant des moments de partage et de convivialité. Les victoires et les défaites deviennent des sujets de conversation qui transcendent les barrières linguistiques et génèrent un sentiment d'appartenance à une communauté plus vaste. Au niveau économique, la Cannes a un impact significatif. Les hôtes du tournoi bénéficient d'un afflux de touristes et de visiteurs, ce qui stimule le secteur touristique et crée des opportunités d'emploi temporaires. De plus, les retombées économiques résultant de la vente des billets de produits dérivés et des droits de diffusion contribuent au développement local. En somme, la Cannes ne se limite pas à être une compétition sportive. Elle devient un catalyseur social, culturel et économique, jouant un rôle crucial dans la construction d'une identité africaine collective et dans la promotion du continent à l'échelle mondiale. Alors, que réserve cette édition Quelle équipe écriront leur nom dans l'histoire Quels joueurs deviendront des légendes de la Cannes 2024 Les prochains jours nous édifierons sur cette aventure captivante qui va au-delà du sport. Une aventure qui célèbre l'esprit de l'Afrique. C'était votre chroniqueur de la FADA, Ali Moukela Hussein alias Sino. Je vous dis bye bye à la semaine prochaine. C'était là la chronique. Euh, de l'émission Tous à la Fada. Euh, merci beaucoup, Seino. J'espère que vous avez aimé, amis de la Fada. Euh, voilà, la dernière question. Irona Hayam Bananta, Matikala. On va faire ça à la femme de la Fada. Webar Dengi, Macheka Mamaza. Ramatulai. Hunkuna, Nioni Diyongoga matano ihimgate ifogate won ke yango ni ginda da yango kan ngite kanga na agades furta je moyi mura mute matkan da himanda za wato di nono matki ga baida bani gorai lakal kare di ban gorai rano agades Borego. go to comme il a déjà dit ça vraiment ce problème là c'est pas un problème qu'on peut résoudre du jour au lendemain donc vraiment il faut vraiment l'implication de tous comme il a si bien dit des autorités, tout surtout de la population. Il faut vraiment que la population s'y mette corps et âme pour vraiment apporter un grand changement dans la vie de la jeunesse ragadaise. Voilà, amis gens de la Fada, merci beaucoup. Iri yunkun Fada, o kan nirmargu ir kagto ame, ir garam fondo goydu suro duko karo, karan nangir hangan, salam fo ramat kala Abib Garbano, Abdul Kader Chambiano, ngono guri zaibo, ngono tiang kang na irma Fada o kan kagto nan darando ir manka mokala agadez Radio Sahara 97 MHz no dino enna Fado ene o gorandi inda furtajay, furtajay raganda president du Conseil régional d'Agadez, ir ganda président régional CNJ, ir ganda secrétaire général euh, l'association des sans-emploi de mo vice-présidente conseil communal des jeunes d'Agadez Inde borai wono ir fakare mon fakare mo kala alhala kai yambar mai isfutara kan go Agadez kwarara o ne bono ir fakare matonir gite gwada ikan mo ngai wana ke yango zama a ne bora kulmu kambadan de bora kulna kambadan kulu ir bayar man murado agaga gasu daino ingai gona ngai kokar kulte kin da zariga ya dinga borai mu ngai se wanu wani bine hino bore irin gorbani hazawa salam merci beaucoup